le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue euh, dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalango, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du Studio Kalango sont diffusés en direct par 31 radios partenaires à travers le Niger et ce du lundi au vendredi entre 17h et 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Le thème principal du forum de ce soir est la consommation des criquets de la société nigérienne, retombées économiques, apports nutritifs et conséquences sur la santé par l'usage de pesticides. Quels sont les types de criquets consommés, d'où nous viennent ces criquets où et comment se fait la commercialisation des criquets qui rapportent leur commercialisation aux vendeurs quels sont les dangers liés à la consommation d'un criquet tué avec des pesticides et d'autres produits similaires. Existe-t-il une campagne de sensibilisation périodique mettant en garde contre la consommation de criquets imbibés de produits nocifs Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons comme invité Dr Bello Abdelrazak, nutritionniste qui travaille à l'inspection régionale de l'enseignement professionnel de Niamey. Bonsoir docteur. Bonsoir, bonsoir à tous. Et également avec nous dans ce studio, Salisu Mourou, qui est directeur des études biologiques au niveau de la Direction générale de la protection des végétaux. Bonsoir, monsieur Salissou. Bonsoir, monsieur. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mohamed. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le forum d'Istudio Kalangu. L'entomophagie ou la consommation d'insectes, une pratique de plus en plus développée dans le monde. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO a recommandé depuis 2008 de consommer des insectes plutôt que de la viande pour des considérations à la fois économiques et écologiques. Pour le cas du Niger, l'insecte dont la consommation est plus connue, c'est le criquet. Jadis consommé seulement chez les Hermans et les Hausa, aujourd'hui ce sont toutes ethnies qui en raffolent. Ces criquets font leur apparition en début de saison hivernale et surtout à la fin de celle-ci. Connus sous un autre nom, à savoir ennemis des cultures, les criquets sont une proie facile dans les zones rurales où ils sont capturés avec la main ou d'autres méthodes pour ensuite les bouillir, les sécher, les vendre ou les manger. Ici à Niamey, la vente des criquets s'est largement développée, surtout à pareil moment et particulièrement au marché de Katako où on trouve des grossistes et des détaillants. Nous nous sommes d'ailleurs rendus là-bas où nous avons échangé avec les vendeurs sur la provenance des criquets. Écoutons Isiakou, euh, c'est un vendeur grossiste à Katako de Niamey. Cette saison, les criquets nous proviennent de deux localités. La première est les Armaganda Verolam et la seconde Doganduchi. Selon les saisons, ça peut nous provenir de Maradi, Madawa et Zander. Mais pour le moment, les criquets nous proviennent des Armaganda et Doganduchi vous venez d'écouter, ces vendeurs grossistes de criquets qui nous renseignent sur les lieux de provenance de ces criquets. Je m'en vais commencer peut-être avec vous, Sali Somoro, de la direction des études biologiques. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces endroits cités pour être des zones où l'on trouve facilement les criquets Ok, merci monsieur. Euh, la particularité de ces endroits euh, où euh, vivent ces criquets, c'est des zones agricoles, au niveau desquelles toute une euh, gamme de ravageurs de culture se développe. Donc, euh, ces zones offrent des biotopes euh, vraiment alléchants à ces criquets où ils se reproduisent en abondance. Donc, au niveau de ces zones, nous avons plusieurs espèces de criquets, en tout cas, qui font leur développement. Et les criquets qui sont actuellement capturés par nos populations, donc, ils sont de deux sortes il y a ce qu'on appelle euh, Wanita cavroisi, qu'on appelle en euh, Hausa ou en Germain Kanea. Il y a également une autre espèce euh, qu'il capture, et qu'on appelle Crossaria angulifera, qu'on appelle zuti en Germain ou Adindema en Donc, dans ces zones de production agricole, vivent également ces deux espèces de criquets qui sont capturés par les populations. Docteur, Emmo, peut-être sur la provenance des, des criquets. On a parlé de la région de Tilaberi euh, vers Walam, on a parlé de Dogandouti. Docteur Bello euh, Abdelrazak. ok, tout à fait. Mais comme il l'a dit, euh, euh ces, criquets, c'est comme les criquets sont des êtres humains et en tant qu'êtres humains, la première condition de développement d'un être humain, c'est bien entendu, c'est la nourriture, que ce soit chez les êtres humains, que ce soit chez les êtres vivants de façon générale, comme les criquets. Donc la première condition, c'est c'est la nourriture. Et comme il l'a dit, vraiment, les criquets vont se développer de préférence là où il y a la nourriture est, est abondante. Et la particularité de ces régions-là, justement, c'est que ce sont des régions de forte production agricole et on a la possibilité justement d'avoir la nourriture pour ces criquets-là et les criquets en ce moment-là vont se développer. Mm, bien. Je vous propose à présent qu'on écoute comment est-ce que certains attrapent les criquets et comment se fait leur cuisson. Écoutons Amadou, euh, c'est un vendeur qui s'y connaît dans la capture des criquets. Ce criquet rouge que tu vois, les gens disent que c'est un produit que l'on appelle pia-pia qui est utilisé pour les attraper. Eh bien, ce n'est pas vrai. Celui qui a vécu en zone rurale sait très bien qu'on ne chasse pas les criquets avec le produit pia-pia. Ce type de criquet s'appelle gafarda en Hausa. Les Germains l'appellent Il ne se regroupe pas en un seul lieu pour qu'on puisse le pulvériser du produit et l'attraper. L'autre là-bas, de couleur noire, lui par contre, au moment où il se regroupe en un seul lieu, là, obligatoirement, il faut le pulvériser avec euh, du produit pour l'attraper. D'ailleurs, même si le produit est pulvérisé sur les criquets, après une bonne cuisson, l'effet du produit est atténué. Mais le criquet rouge, il est totalement impossible qu'il se regroupe à plus forte raison pulvériser ah ah du produit sur le tas. C'est dans les concessions au village qu'on attrape ce type de criquet. Souvent, dans une concession, tu peux avoir 5 à 10 tasses. Cela dépend du nombre d'enfants bah que tu vas trouver dans la concession pour faire l'opération. C'est hein. comme ça qu'il est Au village, ceux qui l'achètent sont très nombreux. Ah D'ailleurs, ils vont de village en village où, certains arrivent à avoir 10 sacs par-ci, par-là et le transportent pour l'amener ici à Niamey. Moi-même, j'ai eu à faire cette opération. Nous, en notre temps, nous montons sur les arbres pour les cueillir dans la nuit jusqu'à l'aube. La fraîcheur étant, les criquets ne peuvent pas s'envoler et nous les attrapons. Alors, comment se fait la cuisson Avec de l'eau chaude, de l'eau qu'on met dans une marmite pour chauffer et on plonge les criquets à l'intérieur. On ferme la marmite et durant un bout de temps, on laisse cuire. Après, on ouvre la marmite, on enlève les criquets et on les étale sur une surface bien propre jusqu'à ce qu'ils soient faits a Venez là d'écouter euh, un certain Madou que nous avons rencontré au niveau du, marché Katako qui nous donne quelqu'un fait un témoignage de comment ces criquets euh, sont capturés et comment se fait leur Alors euh, Salissou Moro, directeur des études biologiques euh, au niveau de la Direction générale de la protection des végétaux. Quelle appréciation vous faites euh, de façon générale de la manière dont on capture des criquets et la manière dont se fait leur ici au Niger le monsieur qui vient de témoigner tout de suite, euh, effectivement, il a relaté la manière ou la procédure par laquelle euh, les, ces criquets sont capturés. La première espèce que j'avais citée, que j'ai citée tout à l'heure, euh, ou Gahorda, effectivement, c'est très difficile de l'avoir vraiment en masse pour pouvoir vraiment pulvériser des pesticides et les ramasser. C'est un ramassage qui se fait à la main. Donc vous confirmez Je confirme. C'est un ramassage qui se fait à la main et très tôt le matin, eh, avant que, eh, pendant cette période de fraîcheur, donc très tôt le matin, les enfants ou les femmes partent au niveau des, au niveau des différents biotopes pour pouvoir les capturer. Donc, les deux espèces de criquets, Kanaya, Kahwarda ou Zuti, eh, qu'on appelle Adindema, donc, sont capturés de la même sorte. La troisième espèce qu'on appelle dobi, Anacridum melanorodon, c'est l'espèce que nous appelons le criquet arboricole. C'est cette espèce-là qui se regroupe au niveau des arbres. C'est en ce temps-là, maintenant, que les gens viennent avec des pesticides pour pulvériser et les ramasser. Donc c'est le cas de criquet euh, sur lequel il y a la possibilité d'utiliser des, pesticides, parce que euh, se regroupe. Voilà, parce qu'il se regroupe. Mais les deux autres espèces, il n'y a pas possibilité. Et je pense qu'au niveau du marché, quand vous allez faire un tour, vous allez trouver les deux espèces les plus abondantes sur le marché, c'est le canaïa ou bien le, zout que vous allez trouver. Donc, euh, question des pesticides sur ces deux espèces-là, elle est vraiment exclue. Mm. Et de l'autre côté, la possibilité de trouver des pesticides sur les criquets, c'est au niveau du criquet arboricole. Arboricole qui est le dobi le en Bien. Docteur, vous avez écouté également avec nous euh, ces témoignages euh, de, de, ce vendeur qui s'y connaît, par ailleurs, euh, dans la capture des criquets. Une appréciation générale de votre part euh, euh, de la manière dont les criquets sont attrapés ici au Niger et... Oui, cette façon d'attraper les criquets, c'est une façon qu'on retrouve un peu partout, que ce soit au Niger, que ce soit ailleurs. Donc, c'est la méthode biologique avec comme il l'a dit, la, la capture. Et l'autre méthode, c'est la méthode euh, comme le spécialiste l'a dit, pour, avec traitement avec le pesticide. Donc, euh, ce sont essentiellement ces deux méthodes. peut là où je voudrais en venir, et c'est par rapport au traitement. Justement, comme il l'a dit, même si l'insecte contient des pesticides, il est quand même important de faire une bonne cuisson parce que cette cuisson-là va atténuer la, la, quantité de, la quantité de pesticides. Nous allons revenir, euh, docteur, un peu plus en détail sur la, les conseils à donner pour, en tout cas, s'assurer de manger. Euh, euh, sans risque. Mhm. Et nous allons aborder la deuxième partie de cette émission, notamment euh, concernant les vertus et les risques de consommer justement du criquet. D'abord, nous allons écouter ces clients rencontrés à Katako qui venaient juste d'acheter une mesure de criquet. Il s'appelle Mamadou. Voilà son témoignage. Oh. Je suis originaire de Dosso. Je consomme le criquet parce que c'est un amuse-gueule et contient des vitamines selon les spécialistes. C'est pour ces vertus que j'en achète. Une fois à la maison, nous le nettoyons, nous le préparons avec les ingrédients comme l'huile, le piment et les oignons. Je préfère largement le criquet à la viande. D'ailleurs, je viens d'acheter une mesure pour ma consommation journalière. Demain, je viendrai encore au marché l'acheter si j'ai de l'argent. Inch'Allah, <laughs> Docteur Bello Abdelrazak, euh, nutritionniste. On constate qu'aujourd'hui, les criquets, euh, beaucoup de personnes en mangent. Quelles sont les vertus, s'il en existe vraiment, mm. tirées de la consommation des criquets pour l'homme Ok, les vertus du criquet, il y, en a, y en a plusieurs. Euh, la première vertu, c'est que le criquet est très riche en protéines. Parce que, euh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le criquet a à peu près la même valeur, les mêmes vertus que la viande. Sauf que la production de la viande euh, devient de plus en plus euh, problématique du fait de surface, du fait du, du coût, ce qui fait que, comme vous l'avez dit, la FAO préconise de plus en plus euh, une tendance à, à, à, la consommation de ces, de ces criquets-là. Donc le premier élément, comme je l'ai dit, c'est la forte teneur en protéines du criquet. Dans, le, dans la méthode de, de traitement du criquet, vous avez le, le, séchage et le fait que le criquet soit séché, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de, de protéines c'est-à-dire que, alors que quand vous prenez dans la viande, vous avez à peu près 20 à 30 de protéines. Donc, en plus des, protéines, vous avez d'autres éléments qu'on trouve également dans le criquet, notamment les, les, vitamines. Vous trouvez notamment les vitamines du groupe B et ces vitamines sont, sont importantes également pour à tout âge parce que ce sont des éléments qui interviennent dans de nombreuses réactions au niveau de notre organisme. Maintenant, en plus de cela, vous avez d'autres éléments qu'on va retrouver dans le criquet, notamment des, des sels, les sels minéraux. Parmi les sels minéraux que vous allez trouver, vous avez du calcium, vous avez du fer et vous avez, vous avez du vous avez du zinc. Donc ça, ce sont les éléments principaux. Maintenant, en plus de cela, vous avez d'autres éléments qu'on retrouve dans le criquet et qui font que c'est bien d'en consommer. Par exemple, quand vous prenez dans le criquet, vous, vous n'avez pas beaucoup de, n'avez pas beaucoup de glucides et vous avez beaucoup peu, vous avez peu de, peu de graisse. Donc du coup, c'est un élément qui est favorable pour éviter certaines pathologies, surtout quand on rencontre dans nos milieux de plus en plus, on a des personnes qui sont en excès de poids, qui sont, en, ah, qui sont obèses. Et il y a un lien quand même qui a été fait entre la consommation de la viande, surtout avec sa graisse, et, l'obésité. Donc le fait que ces le fait que le criquet contiennent des protéines et qui soient pauvres en glucides, qui soient pauvres en graisse, en graisse, n'est-ce pas C'est un élément favorable pour lutter certaines, certaines, certaines maladies, comme je l'ai dit, les prises de poids et toutes les conséquences qui sont, n'est-ce pas Et toutes les conséquences qui vont suivre par rapport à, à la prise, à la prise de poids. Et également, de plus en plus maintenant, par rapport à la partie squelette, comme je l'ai dit, du, du criquet, les études ont montré quand même que cette squelette-là, qu'on rencontre l'exosquelette du criquet, a des vertus, a des vertus thérapeutiques et peut permettre de prévenir certaines pathologies, notamment des pathologies de type, de type rhumatisme. Bien. Docteur, certains, certains avancent même que consommer 5 mhm. criquets serait plus mhm. bénéfique que consommer un steak. Oh, bien, bien sûr. Quand vous prenez euh, le, steak, vous allez consommer ça en faisant la, en faisant la friture. Donc, c'est sûr que quand vous comparez le steak et vous comparez la viande du point de vue composition, parce que comme je l'ai dit, du point de vue composition, en termes de protéines, vous avez beaucoup plus de protéines dans, dans, dans là que, que, dans, la, que dans les steaks. Vous avez, comme je l'ai dit, moins d'énémies, moins d'ennemis comme les graisses dans, dans, le, dans, le, dans le criquet que dans, que, dans, que dans les viandes. En plus de cela, puisque le criquet, comme je l'ai dit, il est, il est séché. Donc, c'est un concentré, si vous voulez, de vitamines, c'est un concentré de sels minéraux que j'ai évoqué. Donc, forcément, en ayant dans ces criquets-là, vous avez autant d'éléments nutritifs dans ces criquets-là que dans la viande. Et comme vous l'avez dit, et je le rappelle, c'est essentiellement pour cette raison que de plus en plus, l'entomophagie est une pratique qui est conseillée. Bien. On voit que les, vertus du criquet sont, en tout cas énormes, mais euh, on sait que cela n'est pas exclu quand même que euh, qu'il y ait des risques liés à la consommation de ces criquets. Je me tourne vers vous, euh, Salisu Salissou Oumarou, de la direction des études biologiques au niveau de la direction générale des protections des végétaux. Quels sont les, risques qui peuvent être liés à la consommation des criquets merci. Euh, L'entomophagie, c'est une pratique euh, vraiment ancienne. Donc, euh, dans la consommation des insectes, il y a toute une gamme des insectes qui sont consommés, et notamment les criquets, les isoptères, les vers, les chenilles sont consommés, et même les fourmis. Mais les le criquet occupe la première place de tous ces insectes-là. Et le criquet, et comme vous l'avez dit, selon une étude de la FAO, renferme jusqu'à 62% en protéines et, 17% en graisse. Comme pour confirmer ce que pour confirmer ce que docteur Bello vient, de dire que le criquet contient moins de glycées voilà pour confirmer et il y a même dans d'autres études euh, où on disait que le criquet en tout cas il dépasse même si vous voulez le poisson en protéines donc ça vraiment c'est important mais en termes de vertu maintenant comme les criquets sont des ravageurs. il mange beaucoup de choses euh, donc, euh, dans la nature. Donc l'apport l'apport de ces arbres qu'il mange donc, donne à ces criquets certaines vertus vraiment médicamenteuses qui peuvent solutionner certaines pathologies au niveau de, de, l'organisme. Donc, euh, par rapport à ça, l'entomophagie au niveau du criquet, vraiment, c'est vraiment une bonne chose et je, on encourage. Bien. On sait que euh, vous, au niveau de votre direction, la direction générale de la protection des végétaux est réputée être euh, un service quand même qui lutte contre les ennemis des cultures euh, dont le criquet fait partie. Pouvez-vous nous dire quels sont les produits que vos services utilisent sur les criquets Les criquets, effectivement, dès qu'on dit criquet, la première des choses pour nous spécialistes, c'est des ravageurs. Dès qu'on dit ravageurs, donc, on pense à la lutte. Au Niger, euh, nous avons deux groupes de pesticides que nous utilisons. Nous avons le groupe des organophosphorés, nous avons également le groupe des pyrnotroïdes de synthèse. Vous pouvez nous expliquer à nous... Les organophosphorés, donc euh, c'est des pesticides qui ont été inventés depuis dès les années après la Deuxième Guerre mondiale. Mhm qui étaient des armes avant. Mais après, donc, euh, la découverte d'autres technologies, donc, nous avons passé ça au côté civil, donc, au côté agricole. Donc, ces phosphorés sont des pesticides, en tout cas, à base du phosphore, si vous voulez. Il y avait des colorés. Maintenant, ces colorés là sont mis de côté à cause de leur effet nocif sur la santé humaine, sur l'environnement et également dans d'autres composantes de l'environnement. Mais chez nous, actuellement au Niger, nous utilisons que les deux types de, les organophosphorés et les pyrénotroïdes de synthèse qui sont utilisés à de très faibles doses pour tuer les ravageurs au niveau des cultures. Parce que si vous prenez eh, dans un litre de, pesticides, au niveau des organophosphorés, vous pouvez avoir 240 à 480 grammes. Et cette quantité 240 ou bien 480 grammes, c'est ça qui est utilisé à l'hectare pour tuer les criquets. Et encore, quand, si vous revenez au niveau des pyronutroïdes de synthèse, et ça, c'est la synthèse euh, des, arbres, la synthèse chimique. Mhm. Donc, et ça, les doses encore utilisées sont encore plus petites par rapport aux organophosphorés, Parce que ça, c'est des, doses de, de 20 de 15 à 20 grammes à l'hectare pour, tuer, les criquets. Mmh. Donc, vous voyez, les doses sont relativement très faibles pour, en tout cas, faire face euh, ou contenir les invasions des criquets. Et ces pesticides ont une faible rémanence. Qu'est-ce que vous... On appelle rémanence, c'est-à-dire la durée. Lorsque vous aspergez ou vous pulvérisez des pesticides, donc le temps que ça fait pour être toujours nocif ou peut être toujours virulent vis-à-vis du ravageur qui est traité. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce temps de rémanence ne dépasse même pas, pour certains, 48 heures à 72 heures. Euh, alors, quelles conséquences cela la paix sur la, sur la santé humaine L'utilisation de ces, tous, ces, tous ces pesticides, avant de les utiliser, il y a des conseils, des mesures de sécurité qui sont prises. Ces mesures de sécurité, il y a des mesures de protection avant la pulvérisation. Par celui qui est en train de, faire la par celui qui est en train de faire la pulvérisation, ça c'est un, par celui qui est aussi le riverain de la zone qui est pulvérisé, ça c'est deux, et par la, la culture même qui est traitée. Donc on donne un délai un délai à observer avant de récolter. Donc tout ça là, c'est des mesures de sécurité pour pouvoir vraiment garantir la protection de la personne et de l'environnement vis-à-vis de ces pesticides. Bien. Euh, nous revenons à vous, euh, docteur Bello Abdelrazak. Euh, au-delà de, de, ces, risques de cet aspect chimique, le criquet, consommer du criquet, on a vu avec vous les vertus. Mhm. On sait aussi que cela, il y a des allergies, il y a des risques d'allergie. Quelles sont donc les, allergies qui peuvent survenir en consommant du criquet Oui, il y a les pesticides de façon générale euh, sont classés dans ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Et maintenant, des études, quand même, même des études faites au Niger, ont tendance à montrer que euh, euh, nous avons de plus en plus de pesticides que ce soit des aliments produits au Niger, que ce soit des aliments exportés, nous avons de plus en plus de, de pesticides dans, dans, les aliments. Et il y a une étude qui est en cours euh, menée par, par le LANSPEX qui euh, justement euh, veut montrer la teneur justement des polluants organiques persistants là, comme les pesticides dans le dans le lait dans le lait maternel parce que lorsque la femme consomme ces aliments là donc cela peut se retrouver dans le lait maternel et l'enfant qui consomme également peut avoir, accès à ces polluants organiques persistants malheureusement. Donc euh, euh, toutes les mesures sont prises et il faut dire que en fait euh, le risque engendrer par ces pesticides, ce ne pas, des, pas des quantités énormes en fait qui peuvent engendrer ces risques. Et c'est pour ça souvent on parle, on, quand on, parle de traces, ce sont des traces qu'on retrouve dans ces, dans ces aliments. Mais bien que ce soit à l'état de traces, malheureusement cela peut entraîner, cela peut entraîner des, des conséquences. Comme vous l'avez dit, parmi les conséquences qui sont liées à la consommation et avec présence de pesticides, même à l'état de trace, il y a quand même ces, allergies-là. Donc ces allergies peuvent se manifester soit par des, allergies de type dermatose, soit des, allergies de type, euh, euh, sous la voie respiratoire. Maintenant, en plus de ces allergies-là, vous avez également, on, reconnaît à ces pesticides-là, lorsque l'individu est exposé à ce pesticide et qui a une sensibilité, parce que nous avons tous notre niveau, notre niveau de sensibilité. Donc, en fonction du niveau de sensibilité, pouvait avoir également certaines conséquences, parce qu'il y a quand même certaines pathologies comme la diarrhée qui peuvent survenir à la suite de la consommation de criquet. On a souvent vu des individus ayant consommé le criquet, notamment les mères, qui en consommant le criquet vont avoir une intoxication alimentaire et leur enfant qui va prendre le lait maternel également va être va être va souffrir de ces de ces troubles là. Donc ce sont essentiellement ces éléments là qu'on rencontre de façon aiguë, mais comme il l'a dit, toutes les mesures sont prises pour que ces pesticides là se retrouvent à l'état de trace. Mais comme je l'ai dit, mais malheureusement, bien que ce soit à l'état de trace, lorsque certains conseils, comme il a dit, ne sont pas, respectés, ne sont pas suivis. Donc cela peut entraîner tout ce que j'ai dit comme, j'ai évoqué comme conséquence. Et la conséquence qui, ultime, n'est-ce pas, c'est lorsque l'individu est vraiment confronté à la consommation d'aliments contenant de, pesticides sur une longue durée, la, la conséquence, et c'est malheureusement la survenue de certains cancers, parce qu'on a mis également, on a fait le lien entre la survenue des cancers et la consommation des polluants organiques persistants de façon générale, dont des pesticides. Mais docteur, est-ce qu'il est possible également d'avoir des allergies euh, en consommant du criquet non contaminé, simplement du criquet euh, euh, et Comme il l'a dit, L'entomophagie, est-ce que en, tant que telle peut provoquer des allergies Oui, ça peut, ça peut provoquer des allergies parce que ça, on est tous allergiques à quelque chose. On peut être allergique, allergique à une protéine, par exemple, parce que quand vous prenez certaines protéines qui, sont, qui, peuvent avoir des propriétés qui, qui entraîner des allergies. On peut être allergique à, un, à, des glucides. Par exemple, quand vous prenez le lactose, peut entraîner des, des, allergies ou des intolérances. Donc, euh, cela dépend de la composition du criquet. Mais, euh, et aussi, comme il l'a dit, vous avez, quand même, quand même des plantes. Les plantes peuvent avoir des effets bénéfiques, mais elles peuvent, il certaines plantes qui peuvent avoir également des effets les irritants. Plantes que ces euh, que vont consommer. Donc ces plantes-là peuvent effectivement entraîner aussi des, allergies. Donc, ça peut être lié au traitement pesticides, mais ça peut être également lié à la composition du criquet et de l'aliment, de la plante que le criquet a consommé. Si, si cette plante-là a des propriétés susceptibles de provoquer des allergies. Donc naturellement, vous allez avoir des, des allergies. L'allergie, comme je l'ai dit, on a classé l'allergie en deux. Il y a l'allergie qui, est liée à la composition, à la composition du criquet. Donc cette allergie qui est liée à la composition du criquet, si vous êtes allergique à une protéine du criquet, donc euh, il n'y a, pas de, a, a pas de solution. Il n'y a pas de solution. En ce moment-là, la seule solution, si vous êtes un adepte du criquet, c'est de s'abstenir. Maintenant, l'autre type, l'autre type qui, qui peut être lié à la présence de contaminants, c'est, euh, comme on l'a évoqué euh, en, filigrane tout à l'heure, il faut avoir une bonne cuisson, n'est-ce pas, de ces, de ces, de ces criquets-là. Donc la consommation, plus vous déjà avec tous les, toutes les mesures qui sont prises pour faire en sorte que vraiment la quantité qui va se retrouver au niveau du criquet, cette quantité-là soit infime. On peut également, lorsque on a une bonne cuisson, n'est-ce pas, réduire davantage, davantage. la quantité et de ce coup-là, on va, on minimiser, la, nocivité, la, de ces, liée à la consommation de ces, de Bien. Euh, nous revenons à vous, euh, Salissou Moro de la direction des études biologiques. Euh, est-ce qu'il existe des variétés de criquets à, ne pas manger, surtout Actuellement, au Niger, les deux espèces dont je vous viens de vous citer tantôt sont les deux espèces qui sont les plus utilisées, les plus consommées. Coursaria angulifera, Anacridum qu'on appelle le criquet arboricole. Ce sont les espèces les plus consommées. Les autres espèces, on peut les consommer, mais elles sont de très petite taille, de telle sorte que eh, vraiment, eh, pour suivre le processus de la capture, jusqu'à eh, vraiment elles, deviennent en fait, si vous voulez, un peu de la farine. Mm-hmm. Donc, euh, raison pour laquelle on peut les consommer, bien sûr, mais vraiment, euh, le, processus de traitement, jusqu'à ce qu'elles viennent vraiment sur la table du monsieur, vraiment, euh, elles vont se réduire vraiment euh, en farine. Donc, pour le moment, je ne connais pas d'espèce de criquet qui n'est pas consommée. Sauf qu'au niveau des cultures irriguées, nous avons une autre espèce qui est là-bas qu'on appelle le criquet puyant. Il est puyant, mhm. Donc, c'est une espèce qui n'est pas en fait consommée. Docteur, la question vous est posée également, docteur Bello Abdelrazak. Euh, est-ce que tous les criquets sont permis d'être consommés tous, les criquets, tous les sont permis. Et comme il a dit, vraiment, les espèces que nous retrouvons, tous, les espèces que nous retrouvons sont, consommables, sont consommables sans, danger. Donc, euh, euh, vraiment, les criquets, la consommation des insectes, euh, euh, généralement ne pose pas de problème. Et généralement, quand il y a problème, cela est, souvent documenté et ça fait en sorte qu'on va éviter la consommation de ces criquets. Mais sinon, vraiment par rapport à la consommation de criquets, il n'y a pas de, a a pas de risque lié à la consommation de ces, de ces criquets. Bien. Euh, nous passons à la troisième et dernière partie euh, de notre émission. cette activité de vente et d'achat de criquets est aujourd'hui une source de revenus importante pour beaucoup de vendeurs, aussi bien grossistes que détaillants. Aussi, le transport euh, de ces insectes des zones rurales aux zones urbaines permet à certains transporteurs de se faire un peu de sous. À ce sujet, je vous propose d'écouter d'abord Isiakou, ces commerçants grossistes que nous avons rencontrés. Il revient sur les prix, sur les prix qu'ils appliquent euh, et sur les revenus journaliers qu'ils en tirent. Nous vendons les sacs de criquets à 40 000 francs CFA la tasse varie de 900 à 1000 francs. Par jour, nos recettes varient de 60 000 à 100 000. Mais il y a des jours où nous vendons plus ou moins que ça. Moi, je peux vendre 30 à 40 sacs. Nous donnons aussi des quantités à nos petits, des revendeurs ambulants et eux aussi font leurs recettes. Le marché, ça dépend de la clientèle. Il y a des jours où nous ne vendons pas plus que 10 ou 20 sacs. Hum, bien, donc nous avons écouté ces grossistes euh, euh, qui vendent des criquets. Et nous allons écouter à présent le chauffeur, ce chauffeur qui a amené 25 sacs de criquets en provenance de Badeguichiri, de Tawa. mu nous, nous faisons le par de et de Léla. Alors, peux-tu nous dire combien de sacs euh, tu as amené et à combien tu transportes euh, l'unité le chargement que vous voyez, j'ai 27 sacs. Chaque sac est transporté à 1000 francs CFA et souvent même euh, à 750. Cela varie selon le client à qui vous avez affaire, puisqu'il y a des clients privilégiés de tout temps auxquels euh, nous accordons une réduction du prix de transport. Cette activité, nous la faisons dès l'installation de la campagne hivernale et après la récolte du mille, puisque c'est en cette période que l'on trouve beaucoup de cliquets. Nous chargeons les sacs à l'autogar à destination de Niamey, puisqu'à Niamey, le marché du criquet est plus consistant. Et même ceux qui les attrapent préfèrent amener leurs produits. Bien, donc vous avez écouté avec nous. Euh, je me tourne vers vous, docteur Bello Abdelrazek. Quel commentaire vous inspire ces deux cas, rapidement euh, Oui, ce que je veux dire, c'est que euh, nous sommes euh, dans une situation, euh, quand on parle genre de, de, sécurité, sécurité alimentaire et, et nutritionnelle, donc pour avoir euh, parvenir à cette sécurité alimentaire et nutritionnelle, forcément, il nous faut, il nous faut savoir diversifier nos moyens. Il faut aussi avoir, comme il a dit, pour, surtout pour les populations défavorisées, il faut avoir une, une, source de revenus. Donc, forcément, euh, la pratique de cette activité-là, donc, euh, c'est une, c'est une bonne chose et le fait que ces, ces personnes-là puissent avoir un revenu. Donc, à, travers la vente du cliquet, c'est une bonne chose et on sait que plus vous avez euh, un revenu, moins vous serez confronté à, à l'insécurité alimentaire, à l'insécurité, à l'insécurité nutritionnelle. Donc, c'est vraiment une bonne chose, que ce soit pour le grossiste, que ce soit également pour pour les détaillants qui va, celle qui va vendre la tasse ou la, demi-tasse. Donc c'est quand même un, revenu et en, en, vendant ce criquet, elle va faire du bien à la communauté compte tenu de tout ce que nous avons lu par rapport aux, ouvertures vertus nutritives du criquet. Bien. Il est bien de se faire de l'argent ou de manger à suffisance ces criquets. Encore faut-il respecter un certain nombre de règles élémentaires d'hygiène, si je ne me trompe, docteur Tout à fait. Tout à fait. Euh, la, principale mesure, la mesure d'hygiène, je pense que c'est lié à, à, à, bien à bien faire la cuisson de ces, de ces, de ces criquets-là. Je pense qu'on aime beaucoup le criquet, c'est un amuse-gueule, mais il faut vraiment prendre le soin de, de faire une bonne, une bonne cuisson. Donc c'est cette bonne cuisson qui va faire en sorte que euh, les, contaminants, les contaminants vont pouvoir être éliminés. Bon, le criquet a l'avantage, euh, euh, heureusement, de ne pas contenir beaucoup de, de germes pathogène à la différence des viandes où vous avez beaucoup de contaminants biologiques qui peuvent entraîner des intoxications. Donc le cuir a cet avantage-là déjà de ne pas contenir beaucoup de, beaucoup de germes pathogènes. Donc vraiment la mesure, la précaution d'hygiène, c'est vraiment de, faire en sorte que ces criquets-là soient, bien cuits. L'autre règle également, euh, euh, parce que c'est lié à à l'exposition. Parce que même si le criquet ne contient pas beaucoup de germes. Euh, souvent, la méthode de vente fait en sorte que euh, la vendeuse, elle est là avec son criquet non couvert, n'est-ce pas Surtout quand vous prenez dans les régions, les régions de Maradi où le, se fait, la vente du criquet se fait de façon ambulante. Donc, euh, vous avez la vendeuse, elle se promène dans toute la ville avec le criquet non couvert. Donc malheureusement, cela peut favoriser la contamination de ce criquet-là. Donc du coup, le mélange criquet piment, euh, sauce, et la sauce qui l'accompagne. Donc ça peut être ça peut être contaminé et en ce moment-là, la contamination de ces aliments-là, ça peut provoquer une intoxication alimentaire, particulièrement chez les personnes qui sont ont un système immunitaire affaibli, notamment les personnes âgées, notamment, notamment les enfants. Mm, bien. Euh, Salissou de la direction des études biologiques. Euh, comment s'assurer de consommer euh, du criquet sans risque pour la santé euh, Pour ça, il faut que, pour ce qui nous concerne en tant que praticien de l'autre côté, il ne faut pas que ces criquets, surtout les criquets arboricoles soient attrapés vraiment sur la base des pesticides pulvérisés. Il faut que vraiment ça, qu'on soit vraiment unanime là-dessus. De, deux aussi, nous en tant que service professionnel, tout ce qui est traité aux pesticides ne devrait pas être consommé. Il est formellement interdit d'utiliser ou de manger les criquets ou les oiseaux qui sont traités aux pesticides. Donc, chez nous, c'est une règle. Et on ne l'encourage pas est-ce que cette règle est connue Existe-t-il une campagne de sensibilisation périodique mettant en garde contre la consommation des criquets imbibés de produits ou pas La Direction générale de la protection des végétaux procède à la formation des auxiliaires pour lutter au niveau de chaque village pour lutter contre les ravageurs des cultures. Donc, euh, au cours de la formation de ces auxiliaires qui sont présents au niveau de tous les villages du Niger, donc, dans un village, vous pouvez avoir 5 à 10 paysans qui sont formés sur les techniques d'utilisation des, pesticides. Donc, dans la règle qu'on leur inculque, donc l'utilisation de tout ce qui est traité ou de tout, de tout ravageur, tout criquet qui est traité au pesticides ne devrait pas être consommé. Ça, c'est formellement interdit de consommer les criquets ou les oiseaux qui sont traités aux pesticides. Ça, vraiment, il faut qu'on Pour ça, là, le Niger, pour ça, tous les brigadiers qui sont formés au Niger, ils ont vraiment cette règle euh, Est-ce que ces brigadiers dont vous parlez réunissent les villageois avant de procéder à la pulvérisation pour les informer des dangers ou pas La formation que ces brigadiers phytosanitaires sont en train de recevoir, ils sont donnés par la communauté villageoise et ils ont l'obligation de faire feedback à leur structure d'origine qui les a mandatés. Donc, ils ont l'obligation de faire ce feedback. Donc, les criquets qui sont traités aux pesticides ne devraient pas être consommés. Et d'autre part, le consommateur tient toujours à la qualité. Les criquets traités aux pesticides sont différents des criquets qui sont attrapés à la main. Comment on peut le savoir Les criquets qui sont traités aux pesticides deviennent noirs carrément noir. Donc de telle sorte que ça ne vous donne même pas envie de les consommer. Ça, même si vous partez sur le marché, vous pouvez faire le constat. Vous pouvez faire le constat. Donc les triquets qui sont traités aux pesticides ne doivent pas être consommés. Ça, c'est facile aussi de le remarquer. Bien. Euh, docteur Belabde euh, les campagnes de sensibilisation sur ce genre de questions, euh, les campagnes de, de sensibilisation préventive, c'est essentiel oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait essentiel et en ce moment là, c'est, je pense que c'est une bonne opportunité que vous, nous offrez aujourd'hui de faire justement d'attirer l'attention des, des, uns et des autres par rapport à, aux risques qui peuvent être liés à la consommation de ces de ces de ces là. Donc vraiment les campagnes de sensibilisation elles sont elles sont à promouvoir pour que euh, justement en, cas de traitement pesticide au moins que euh, euh, euh les personnes soit informés. Et, deuxième chose là où je, voudrais, je voudrais en venir, euh, euh le dispositif euh, normalement pour protéger le consommateur devra consister par exemple à faire des, prélèvements n'est-ce pas euh, au niveau de ces criquets là pour avoir la, trace, la, quantité de pesticides qui sont qui sont au niveau des au niveau de ces marchés là bon comme je l'ai dit ce, dispositif souvent euh, a du mal à se mettre à se mettre en place donc du coup même lorsqu'il y a un traitement avec les pesticides, ces traitements-là, euh, ces, là peuvent être à la portée du consommateur. Donc, je pense que euh, en plus des campagnes de sensibilisation, il y a cet effort-là que nous devons faire par rapport à, au contrôle de qualité de ces éléments-là qui sont mis sur le marché, de sorte à s'assurer que vraiment les criquets qu'on trouve à une période donnée, n'est-ce pas, ne sont pas contaminés par ces, par ces, par ces, par ces, pesticides-là. D'autant plus que euh, dans la méthode euh, de capture, je pense que euh, y a des sensibilisations qui sont, qui sont faites, comme il l'a dit, en milieu, en milieu rural. Et on a également de, de plus en plus, quand vous, quand même vous promenez dans le, dans, la ville de Niamey, vous voyez beaucoup de, beaucoup de pesticides, n'est-ce pas, beaucoup d'insecticides que, que, les gens vendent de façon, de façon ambulante. Et ce sont également vraiment des voies qui peuvent être utilisées pour pour le traitement des pour, pour tuer ces, insectes là donc c'est également c'est pour dire que euh, avec mon, mon collègue qui est présent devant moi, je pense que c'est aussi un effort peut-être qu'il faudrait, qu'il faudrait faire pour voir ces traitements-là, ces produits-là qui sont mis à la disposition, qui sont vendus de façon ambulante et que les efforts soient faits pour s'assurer du contrôle de tous ces produits-là qui sont utilisés de façon, de façon ambulante. Merci, docteur. Euh, euh, de la direction des études biologiques. Un mot de conclusion de votre part Nous sommes à la fin de, de, cette émission. C'est vrai, les pesticides euh, sont vraiment des, pour nous des intrants pour l'augmentation des rendements par rapport aux infestations des, cultures, des, des ennemis des cultures, surtout des ravageurs. Mais il y a l'utilisation que les autres, la masse de la, de la population en fait avec ces pesticides-là. Chez nous, au niveau de la Direction générale de la protection des végétaux, l'utilisation des pesticides, c'est réglementée. On ne devrait utiliser que des pesticides qui sont homologués ou qui sont acceptés sur le territoire nigérien. Des pesticides dont qui ne sont pas homologués ne doivent pas vraiment circuler même. Mais malheureusement, on en trouve pas mal. Et tout à l'heure, j'avais parlé, il y a une classe de pesticides, les organochlorés... qui ne devraient pas être en circulation, mais quand on fait des saisies ou quand on fait vraiment des prospections au niveau des marchés, on trouve, trouve que cette classe est encore disponible, sur, sur, le marché et ça vient de manière frauduleuse. Là, les, autorités euh, en charge doivent euh, sont oui, interpellées. Ils sont interpellés et par rapport à ça, il y a une nouvelle loi phytosanitaire qui est là, qui est en train même d'être vulgarisée au niveau de tous les producteurs, au niveau des autorités, au niveau des douaniers, au niveau des, forces de l'ordre, pour que vraiment qu'ils tiennent compte du contenu de cette nouvelle loi phytosanitaire qui est en train vraiment d'être vulgarisé pour qu'on puisse vraiment l'appliquer dans, son sens. Bien. Nous sommes au terme du forum de ce soir. Euh, nous retenons que la consommation du criquet contient des vertus nutritives importantes, cependant aussi relever un certain nombre de risques liés euh, aux pesticides qui peuvent être utilisés euh, ou la vente de ces criquets de manière ambulante non couverte, des risques qui peuvent être minimisés par une bonne cuisson, on a vu avec le docteur, euh, une bonne cuisson peut permettre de minimiser les risques de, de consommer des criquets euh, euh, contaminés. Euh, également, des campagnes de sensibilisation sont toujours nécessaires pour prévenir les riverains des zones traitées aux pesticides. Nous étions avec euh, Dr Abdel Razak, nutritionniste et travailleur à l'inspection régionale de l'enseignement professionnel de Niamey, Salih Soumoro, directeur des études biologiques à la direction générale de la protection des végétaux. Merci à vous d'avoir été des nôtres pendant ces 45 minutes. Bonsoir.